le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum le forum du le forum du studio le forum du Vendredi 29 mars 2019, euh, messieurs, dames, euh, bonsoir. Euh, merci de rester en compagnie des programmes de Studio Kalangu pour suivre le Forum de la presse, le rendez-vous hebdomadaire que nous consacrons au décryptage de l'actualité de la semaine avec les confrères des médias. Aujourd'hui, nous allons tout d'abord euh, parler de la situation sécuritaire et humanitaire à Difa, région sous état d'urgence du fait des incursions récurrentes de Boko Haram. Aussi, il sera question de la relance de la construction du barrage de Kandaji après plusieurs interruptions une infrastructure pour améliorer les besoins énergétiques du Niger et l'accès à l'eau. Enfin, du football pour évoquer l'élimination des équipes nigériennes de football de la course pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Pour analyser ces sujets, Studio Kalangou reçoit ce soir euh, Ousseini Issa, journaliste freelance. Bonsoir. Bonsoir. Gary Amadou, journaliste au quotidien La Nation, bonsoir. Bonsoir. Et Issa Madougou, journaliste à la radio et télévision Ténéré. Bonsoir. À la présentation, Raylat Soumana. Bonsoir à tous. Les habitants de nombreuses localités de la région de Difa ont le sommeil toujours hanté en ce premier trimestre de l'année. Selon l'association Alternative, dans un point de presse tenu lundi à Niamey, entre le 1er janvier et le 25 mars, 61 personnes seraient mortes et 22 autres enlevées. Cette semaine, un Ngingimi, des kamikazes, dont des femmes, ont ciblé les alentours de la préfecture, de la mairie ainsi que la gendarmerie. Issa, je me retourne vers vous. Comment expliquer euh, ces attentats oh, Merci, Rayla. il n'y a pas de surprise dans ce qui se produit aujourd'hui dans la région de Difa. On se rappelle déjà qu'en décembre 2018, je crois que le ministre de la Défense a alerté qu'il y aura des attaques massives. Je crois à l'occasion d'une interpellation devant le Parlement. Et on est en train d'assister à ce phénomène-là. Mais ce n'est pas ça le plus, comment vais-je dire, euh, euh, le plus inquiétant. C'est que quand euh, on est au courant, on sait que la menace qu'on a annoncée là, c'est une menace qui va se produire. On doit prendre les dispositions nécessaires pour minimiser. Parce que dans tous les cas, c'est une guerre asymétrique. Mhm. On ne peut pas savoir qui sont ces gens qui traversent. Mais on doit quand même prendre les dispositions. Malheureusement, tout à fait. Mais mhm. malheureusement, le constat qui est fait aujourd'hui, c'est qu'on a comme l'impression que ces populations sont abandonnées à elles-mêmes. Sinon, on ne peut pas comprendre que des gens rentrent. Pratiquement depuis le début du mois de mars, on a assisté, je crois, à plus de 5 ou 6 attaques dans la zone de Toumour, et Voilà, et la dernière fois, c'est Ndignimi qui a été touché. Moi, j'ai dit quelque part, il y a une défense. Le dispositif sécuritaire, il faut le voir. Mhm. On ne peut pas continuer juste à, déplorer. Mhm. Il faut créer les conditions pour que, effectivement, les populations soient rassurées. Et je n'ai pas l'impression qu'actuellement, ces conditions-là sont créées dans la zone. Et c'est ça qui fait que quand ils arrivent, ils parviennent à faire des dégâts et souvent même à pouvoir se retirer en prenant des otages, ce qui n'est pas du tout normal. Mhm. Et ça pose aussi le problème de la présence des troupes étrangères dans notre pays, parce qu'ils sont là pour nous aider en matière de surveillance, et on n'a pas l'impression quoi. Et ça, sur le terrain, ça ne se matérialise pas. Mhm. Voilà un peu ce qui est déplorable et ce qui fait que les gens sont braqués contre ces forces étrangères-là. Merci Issa Garé. Je me retourne vers vous. Les habitants du village de Ngangam, attaqués la semaine précédente, se déplacent euh, pour trouver refuge à Kinkanji et Difa. La situation semble dramatique, évidemment. Comment sommes-nous arrivés à ce stade euh, alors que, semble-t-il, l'État a mis plus de moyens pour sécuriser cette euh, région, sans oublier les ratissages de l'armée opérés en janvier et février. Vous savez, euh, euh, la, sécurité totale n'existe pas. Même les pays les plus puissants du monde font face souvent à des attaques terroristes. Quand on parle de guerre asymétrique, on ne parle pas d'une guerre classique. On parle de quelqu'un qui se cache avec une bombe et qui peut venir dans un marché se faire exploser. Vous voyez dans, un, dans une région où pratiquement toute la population est en train de bouger, c'est extrêmement compliqué. Est-ce que vous comprenez mhm. Et donc, je pense que s'il faut voir les efforts que l'État est en train de faire, il faut imaginer ce que serait DIFA sans l'armée. Parce que depuis que l'armée a été installée, depuis que l'état d'urgence a été installé, DIFA, quand même, ça va un peu. Vous comprenez C'est vrai, on ne peut pas éviter euh, des incursions. Parce que le ministre de la Défense a dit. Il dit, début euh, d'année, il y aura la décrue de la Koumadougou de mhm. Et les terrains seront vides. Donc les, terroristes ils profiteront. Voilà, ils vont profiter. Il a mhm. bien prévenu. Mais écoutez, on vous parle de deux régions assez vastes n'est-ce pas Et une frontière assez longue, et surtout la du qui est partagée par plusieurs pays, le Cameroun, le Niger, le Tchad. Mhm. Donc c'est très, très compliqué, est-ce que vous comprenez Mais je pense que le seul fait que les éléments de Boko Haram euh, euh, euh, hésitent à s'en prendre aux militaires, ils sont, ils sont maintenant contraints parce que moi je pense que c'est la branche de, de qui s'en prend aux civils. Ils ils ils, ils sont obligés de s'attaquer aux civils, ça veut dire que le dispositif militaire, quelque part, il est bon. Maintenant, mais quelque part, est-ce qu'on sait qui est en train de s'attaquer aux personnes Parce que est-ce qu'il revendique euh, ces attaques Le problème, c'est qu'au niveau de Boko Haram, il y a trois groupes. Il y a le groupe de Abakar Shekau, mhm. qui est le plus sanguinaire, le plus violent, n'est-ce pas Il y a le groupe de Mohamed, euh, de, de, de, Barnawi, Al-Barnawi, qui est le fils du fondateur de Boko Haram, Mohamed Youssouf, qui a été tué en 2009, mhm. lors de la première insurrection. Ensuite, il y a un troisième groupe qui est dirigé par un Camerounais, Mohamed Nour. Bon, lui, Mohamed Nour, comme les gens, c'est lui, qui, lui pratiquement qui négocie avec l'État nigérien lors de la libération des otages, les éléments ont commencé à ne plus avoir confiance en lui. Donc, ils l'ont liquidé, ils l'ont exécuté. Vous comprenez Donc, on ne sait pas qui dirige ce groupe-là aujourd'hui. Mais il y a trois groupes qui sont en train de. Mais les mhm. plus violents, c'est vraiment les, éléments de Chekan. Maintenant, ce que Hussein dit, c'est vrai, il faut euh, euh, revoir la stratégie. Vous savez, euh, l'armée a beau faire. C'est-à-dire que quand des civils rentrent avec des bombes, mhm. c'est surtout la population qui doit pouvoir détecter des éléments qui ne sont pas du village. Est-ce que vous comprenez Des personnes étrangères, elles doivent le signaler. Un village comme Gangam, quand vous voyez une personne suspecte, vous pouvez savoir. Vous comprenez Les gens se connaissent tous. Vous comprenez L'armée n'est pas. C'est pas évident qu'elle fasse la différence. Mais aussi, avec ces mouvements-là, ça va être un peu difficile, non vous Oui, ça va être un peu difficile. Et vous savez, vous savez le pire, c'est que. Il se peut que parmi, dans ce mouvement-là aussi, mhm. des éléments complices peuvent rentrer et aller au niveau du camp de réfugiés. Vous savez, il y avait eu une polémique à un moment où on disait que non, parfois, les éléments de Boko Haram ont des complicités au niveau des camps de réfugiés. Est-ce que vous comprenez se dit Ça, c'est encore, notre encore vérifié. imaginez et le travail que les éléments de l'armée sont en train de mener dans cette région-là. Mhm. Extrêmement compliqué. Vous avez une pratiquement, c'est vrai, la population collabore, mais il y a aussi des actes de défiance qui sont eh, attisés par des structures de la société civile envers l'armée. Vous avez des, des militaires qui, qui appellent les gens à collaborer, à dénoncer des gens. Et vous avez des gens qui ont peur de dénoncer parce que tout simplement, ils ont peur que la nuit, on vienne les tuer, etc. C'est des conditions extrêmement difficiles. Extrêmement difficiles. Et en train qui, de, des gens dans des conditions. Et sur le plan humanitaire, toujours dans la région de Difa, on a estimé à 460 000 personnes qui ont besoin d'assistance. Une soixantaine d'organisations interviennent dans la zone pour euh, la prise en charge de ces personnes vulnérables, notamment des déplacés des réfugiés. Je vous propose de suivre euh, à ce propos l'intervention d'Ari Noël, euh, directeur pays de l'ONG Plan Niger. On a participé à une réunion de coordination où les rôles ont été partagés entre différents acteurs. Certains sont en train de faire des distributions de vivres pour la sécurité alimentaire, certains font des distributions d'eau pour pouvoir avoir l'eau potable à boire et certains font des installations provisoires pour l'hébergement. Et sur cette base, on a retenu qu'on allait distribuer des kits de dignité aux jeunes filles, aux adolescentes euh, pour leur permettre d'avoir euh, un cadre plus adéquat pour supporter euh, ce déplacement. Il y a du matériel de base comme la pâte dentifrice, du savon, de peignes, quelques habits. Pour les filles, il y aura les serviettes hygiéniques. Il y a également euh, des moustiquaires. On attend les chiffres exacts, mais une commande est en cours pour 2000 personnes. Maintenant, en fonction des besoins réels, on va voir s'il faut aller plus. Si la situation perdure et qu'ils ne vont pas se déplacer, on va voir comment faire un programme de rattrapage pour l'éducation. Trouver une équipe d'enseignants qui peut les encadrer et puis acheter des kits scolaires pour ces enfants. Voilà, vous venez là d'entendre l'intervention du directeur pays de l'ONG Plan Niger. Issa Madougou, vous êtes journaliste euh, à la radio et télévision Ténéré. Comment appréciez-vous cette euh, attention particulière que porte euh, l'ONG Plan Niger aux femmes et aux filles vulnérables de la région de Difa Merci, Reïla. Conformément à leur mission, c'est une ONG qui s'intéresse surtout à la jeune fille et c'est bien normal qu'elle elle se penche aussi pour du côté des femmes. Vous savez, dans une situation d'insécurité, de, guerre, comme le cas précis, guerre asymétrique à Difa, les plus vulnérables, ce sont évidemment les femmes et les, jeunes filles. Aujourd'hui, la situation elle est inquiétante. La détérioration du climat humanitaire dans la région de Difa. Ils sont combien aujourd'hui Il n'y a même pas, vous l'avez entendu, ils attendent toujours les vrais chiffres il y a un départ massif des populations vers la commune urbaine de Difa. Mhm. Et c'est dans les champs. Ce matin, j'ai discuté avec quelqu'un qui me disait que euh, il y a un autre problème qui est en train de se passer. Les gens qui arrivent se sont installés dans des champs. Et les propriétaires de ces champs sont venus les chasser pour dire que non, c'est des camps qui vont être bientôt installés. Et eux, c'est leur, vraiment leur richesse. Ils n'ont pas d'autre activité que le labourage. Donc, ils vont rester jusqu'à la saison des pluies. Et comment eux, ils vont faire Voyez-vous un peu comment la situation se complique davantage. Évidemment, qu'est-ce qui est à la base de ça Mes deux prédécesseurs ont eu à le dire. Vous savez, depuis le ratissage euh, de, décembre, le, ministre l'avait dit, avec... Euh, c'est sûr qu'il y aura des reprises. ils vont revenir. Et maintenant, avec vraiment la décrue du, du Komadougou la situation se complique. Euh, oui, donc c'est un niveau de passage qui est ouvert. Avant, il y avait l'eau qui les empêchait. il fallait trouver mhm. et aussi des moyens de, navigation. Donc c'est un peu compliqué pour eux. Aujourd'hui, ils ont cette facilité de traverser la frontière. Et quand on sait qu'en fin d'année, ils ont acquis beaucoup de matériel militaire en attaquant les forces armées nigériennes. Mhm. Donc voilà cette situation qui est devenue un peu complexe. Et ajouter à cela, c'est qu'il y a cette confusion qui est créée, qui est entretenue par des bandits armés il faut le dire, au terrorisme s'ajoute au, au, grand banditisme des gens qui se permettent d'enlever des paisibles citoyens en demandant des, rançons. Ils se sont donnés. Aujourd'hui, c'est ça qui constitue même le problème. Et en majorité, qui ils enlèvent Les femmes et les enfants. Les femmes et les enfants. Donc, voyez-vous la complexité de cette euh, situation C'est pour cela que quand alternative espace tu avait attiré l'attention. Moi, j'aurais voulu que on ne regarde pas la position de la structure, qu'on écoute ce qu'ils sont en train de dire, parce mhm. que aussitôt dit, et voilà ce qui s'est passé. On est de 61 personnes tuées de janvier à mars. On est aujourd'hui à 73 avec les 12 morts à Israël. Voyez-vous comment 73 personnes en trois mois. Mais c'est dur, c'est vraiment. Et aujourd'hui, on parle de 400 et 460 000 qui sont dans le besoin, qui sont vulnérables, qui ont, besoin, d'assistance. Mm. Et l'État, qui se trouve aujourd'hui engagé sur plusieurs euh, plans euh, euh, pour aider les Nigériens à vraiment sortir la tête de l'eau parce que nous savons tous que depuis quelques années, les turbulences connues sur le plan économique a fait en sorte que des investissements ont baissé dans les structures sociaux de base. Voyez-vous encore, il faut aller tendre la main et ces organismes aussi qui réellement, pour certains d'entre elles, ces organismes profitent de cette situation. Ça, c'est vous qui le euh, Mais oui, il y a des enquêtes qui ont été menées qui, prouvent, qui démontrent que euh, euh, l'aide qui devrait aller à ces personnes vulnérables ne parvient pas. Mm, et il y a aussi un autre problème qui a été soulevé par les populations. C'est que on est en, en, zone d'état d'urgence mhm. depuis 2015. C'est l'inaction des forces de défense et de sécurité, qui, surtout dans la nuit, qui est à certains niveaux euh, L'inaction, qu'est-ce que vous voulez dire par là C'est-à-dire, ils, font appel parfois quand ils, disent qu'ils font appel. C'est ce que disent les populations. Ils disent, par exemple, Ngangam, ils ont dit, certaines personnes euh, de la localité ont dit à maintes reprises, ils, ont, ils sont partis voir les forces de défense et de sécurité pour leur dire que ils ont remarqué des mouvements bizarres, des gens qui passent mais qui ne connaissent pas suspectes. suspectes. Donc, et à leur grande surprise, aucune disposition n'a été prise. Et voilà, ils se sont retrouvés dans cette situation. Aujourd'hui, quand ils quittent, ils sont en train de quitter en laissant pratiquement tous ces, quelques biens vraiment qu'ils peuvent emporter, qu'ils sont en train de partir avec. Et aujourd'hui, même pour s'installer, ça devient encore compliqué. Moi, je pense que c'est dans une synergie d'action. Garé l'a dit, c'est une guerre asymétrique. asymétrique On ne peut pas avoir vraiment la recette idéale pour contrecarrer cela. Mais c'est dans une synergie d'action entre gouvernants, population et, partenaires qui devront s'occuper de, de l'aspect humanitaire et ici la sécurisation qu'il y ait cette synergie d'action. Ce ne sera jamais de le dire qu'il y ait cette collaboration, cette distillation de l'information à temps réel aux forces de défense et de sécurité. Et aussi, il faut que les forces de sécurité soient dotées des moyens conséquents. Nous allons y revenir euh, tout à l'heure. Notons que le budget de l'assistance humanitaire euh, pour DIFA est estimé à 235,8 millions de dollars américains, soit 115% des besoins financiers nationaux qui est estimé à 383 millions de dollars. C'est ce qui est ressorti du plan de réponse humanitaire euh, de 2019. Hussein vous êtes journaliste indépendant. Que vous inspirent ces chiffres Comment expliqueriez-vous cette répartition des opérations parce qu'il y a d'autres régions aussi qui font face à l'insécurité, à la vulnérabilité alimentaire. comme vous le dites, c'est des chiffres. Je mm. les prends comme des chiffres. Mm. de plus souvent, quand l'évaluation est faite, euh, ce n'est pas forcément une évaluation qui correspond à la réalité du terrain. Mm-hmm. On fait l'évaluation en se disant, voilà, sur des projections, voilà on va, d'ici telle période, on va assister à telle situation. Mhm. C'est en fonction de ça et les partenaires, chacun cherche à mobiliser. Mhm. Parce que s'il y a plusieurs partenaires qui sont là sur le terrain, chacun va chercher à mobiliser. Mais le plus souvent, ce n'est pas la première fois, le plus souvent, même par rapport aux réfugiés maliens, c'est toujours comme ça. Chacun cherche à mobiliser en fonction de, sa capacité de mobilisation, mais le plus souvent, on n'atteint pas euh, les taux ou les chiffres qui sont donnés là. On ne parvient pas, ou du moins, parce qu'il n'y a pas de restitution. On fait des projections, mais il n'y a pas de restitution par la suite. Moi, j'ai dit quelque part, Issa vient de le dire, mm-hmm. quelque part, il y a quelque chose qui se passe. On ne sait pas, est-ce que tout ce montant-là, est-ce que c'est destiné véritablement à la prise en charge des, des, des, personnes, vulnérables, des personnes vulnérables mhm. Ce n'est pas toujours évident. Parce que quand on voit un peu, c'est ça un peu le business de l'humanitaire, humanitaire, sur le plan humanitaire. Ça a été dénoncé, y compris par des Occidentaux, qui connaissent comment ces ONG-là fonctionnent. Ils savent qu'ils captent beaucoup d'argent souvent, mais le plus souvent, l'essentiel de l'argent injecté dans l'achat de véhicules, de ceci, cela, de véhicules de luxe, et euh, vraiment de véhicules neufs qui coûtent euh, extrêmement cher. Et, sur le plan même de l'assistance aux populations vulnérables, ce n'est pas toujours évident sur le terrain. On se pose la, question si cette aide-là leur parvient. Oui, mais bon, il y a juste, euh, on ne dit pas qu'il n'y a rien n'est fait. Mais le problème, c'est que ce n'est pas grand-chose. C'est-à-dire, c'est vraiment. pas suffisant. C'est pas, oui, mais bien, évidemment. Aujourd'hui, vous venez d'évoquer, de mentionner le déplacement des populations. Mhm. Les populations qui sont en train de se déplacer, même les populations qui sont sur euh, les, déplacés, hein. oui. les populations déplacées de la région, ils sont en, train, de, converger vers DIFA oui. parce que tout simplement, il n'y a pas eu de solution entre les ONG humanitaires et le gouvernement. Parce qu'il est question de les relocaliser, mais malheureusement, le travail n'a pas été fait. Et face aux menaces ou à la, reprise des menaces, mhm. ils sont obligés de converger, ces populations sont obligées de converger vers les localités où il y a un peu plus de sécurité. C'est à ça qu'on est en train d'assister, on ne sait pas ce que ça va donner, mhm. mais toujours est-il dit que en se déplaçant d'un lieu à un autre, ils seront obligés d'abandonner beaucoup de choses derrière, derrière elles. Et c'est ça qui rend. Et là où ils sont en train d'aller aussi, ils sont en train d'agrandir les risques. Ils, naviguent, à vue. Ils naviguent parce que ce n'est pas évident. Est-ce que DIFA peut contenir tous ceux qui vont quitter pour aller au niveau de la commune Est-ce que la ville peut contenir Ça va poser sérieusement de problèmes, c'est sûr. Et moi, j'ai dit, c'est des populations qui sont à la limite quelque part abandonnées. Surtout quand on sait qu'il y a des populations déplacées qui viennent trouver d'autres populations <coughs> autochtones, c'est que la cohabitation ne sera pas. pas toujours euh, facile. Oui, mais les incursions, les nombreuses incursions dans la région aussi, euh, dans cette zone d'état d'urgence, euh, ont eu pour conséquence la restriction de l'accès des humanitaires auprès de ces populations-là. Comment y a-t-il d'autres moyens pour les sécuriser à part euh, les escortes pour que ils arrivent à accéder à ces populations-là Vous savez, il y a, d'autres travaux à faire en réalité. Parce que selon ce que le plan de réponse humanitaire avait prévu, ils avaient prévu plus de 300, ils avaient 300 millions de dollars, ils ont eu 75% de la somme qu'ils ont attendue. Ça veut dire qu'il y a des économies à faire dans le cadre de la gestion de ces ONG-là pour permettre à ceux que c'est-à-dire que le peu, le peu qui vient là, si ce n'est pas 100%, au moins que ceux qui, qui viennent là, que ça puisse aller au niveau des populations. Parce que, effectivement, l'émission missions coûteuses, parce que l'escorte aussi, pour la payer. Est-ce que vous comprenez Donc, il faut trouver un mécanisme vraiment où euh, euh, délocaliser qui peut permettre vraiment d'acheminer l'aide à partir de DIFA, bien sûr par vol aérien, etc. Mhm. N'est-ce pas Donc, mais je pense qu'il faut revoir la stratégie qui puisse permettre d'avoir, en tout cas, de pouvoir atteindre toutes les populations. Ça veut dire que si le fonctionnement des ONG coûte, est très coûteux, ça veut dire que aura, ça aura un impact sur l'aide humanitaire qui va arriver au niveau des populations. Mm. Et effectivement, ces populations-là qui vont venir à Diffa, c'est une nouvelle situation qui va se créer, n'est-ce pas Et vous savez, le gouvernement du Niger est un gouvernement qui a toujours été félicité par les partenaires pour d'abord avoir ouvert les bras pour accueillir des gens mm-hmm. qui ne sont pas des Nigériens pour la plupart, parce qu'il y a des gens qui viennent du Nigeria, qui traversent pour venir il y a des gens qui viennent du Mali. Le gouvernement nigérien est pratiquement dans la sous-région l'un des rares États à accueillir les réfugiés. Ça, c'est déjà une prouesse. Maintenant, le gouvernement nigérien veut que la communauté internationale puisse l'aider. Vous avez vu, les besoins nationaux ne sont pas couverts. En tout cas, pas totalement à 100%. Ça veut dire qu'il y a des problèmes. Et pourtant, le gouvernement nigérien a le devoir, en tout cas, d'assurer la sécurité. des gens qui viennent et assurer un certain nombre de bien-être. Mais pour que le bien-être soit total, je pense que la communauté internationale doit, doit, doit changer de comportement. Elle doit mettre la main à la poche. Il ne sert à rien de promettre mhm. et de ne pas remplir ses engagements. Parce Parce qu'entre 300 et quelques millions de dollars, n'est-ce pas, promis, on nous dit que 75% seulement ont été décaissés, mais c'est une honte. Moi, c'est une honte. J'ai dit, 75% est dédié à la région de Difa à 75% qui est déjà réunis. Oui, oui, est-ce que, est que la totalité des, des, des, besoins, qu'ils ont évalués, est-ce qu'ils est qu'ils les ont eus N'est-ce pas mm. Mais moi, je peux comprendre que 75% à la région dit pas parce que la région dit pas quand même, c'est la région la plus meurtrie sur le plan du terrorisme. Mm-hmm. N'est-ce pas C'est vrai à Tilaberi, n'est-ce pas Dans une moindre mesure au niveau d'Ottawa, et puis voilà. Et puis à Maradi qui commence vers Madarou. Voilà, donc, vous voyez. Mais je pense que c'est normal que la, la, la totalité. Enfin la majorité de cette somme-là. Les Mais quand même, j'ai dit, il faut revoir la stratégie. Mais il y a quelque chose quand même aussi qui, C'est vrai que depuis quelque temps, des habitants de Difa ont tendance à dire que parfois, on appelle les, forces de sécurité, elles ne viennent pas. Je pense que la hiérarchie militaire doit pouvoir investiguer. Non, non, c'est important. Est-ce que vous comprenez Parce que ça commence à faire beaucoup. comprenez Il y a des témoignages qui disent que non, parfois la nuit, même quand on appelle des éléments, ils ne viennent pas. Ça, ce n'est pas bien. Mais je les, pense que... les supérieurs hiérarchiques Non, peut-être qu'ils ne sont pas au courant. Mais c'est pour cela que parfois, les réseaux sociaux sont importants. Ah, c'est à travers les réseaux sociaux parfois qu'on donne certaines informations. Mhm. Maintenant, moi, je ne dis pas que c'est forcément vrai. Mais je dis que la hiérarchie militaire doit pouvoir coordonner les opérations de nuit, doit pouvoir savoir où se trouvent les éléments, doit pouvoir investiguer quand il y a des informations aussi graves mhm. qui parlent par exemple de démission, pratiquement. Parce que quand des gens vous appellent, qu'ils vous disent qu'ils voient des éléments suspects et que rien n'est fait, ça appelle à, interrogation. Oui, ça peut pousser les populations à ne plus. Euh, voilà, donc les la hiérarchie militaire doit quand même investiguer dans ces cas qui commencent à se répéter mhm. pour voir si, c'est vrai que des sanctions soient prises. Et vraiment, si ce n'est pas vrai que de faire une communication pour dire que toutes les informations qui ont été données ont été, erronées. Effectivement, c'est ça même. Donc, euh, pour ajouter à, ce que Gary disait, c'est c'est aujourd'hui cette euh, manière de voir que c'est comme si vous êtes délaissé à votre propre sort qui fait en sorte que vous êtes obligé de fuir. C'est ça qu'il faut investiguer parce que ces gens-là se sentent délaissés. Ils, ils n'ont pas d'autre protection. C'est l'armée leur euh, euh, bouclier face à ces gens. Donc, quand ils, ils continuent à vivre avec cette hantise que ces gens-là peuvent venir à tout moment les agresser. C'est bien normal qu'ils quittent. Et c'est ça qui amène euh, euh, euh, le départ massif de ces populations. Il y a quand même je donne la parole à Issa d'abord. Ah, on va ah, ah, continuer ce tout à l'heure. C'est en, en, une phrase, je voulais dire. C'est que quand même, on est dans un contexte d'attentat kamikaze. Mhm. Est-ce que vous comprenez Mais imaginez la frayeur. Parce que c'est parce que nous sommes à Niamey ici on n'a pas, fait, pas fait face à ces cas-là mhm. qu'on a l'impression que c'est. Mais je vous dis, un attentat kamikaze, mais c'est terrible. Donc, même si les militaires sont dans la ville, le seul fait de voir un attentat kamikaze avec des, personnes déchiquetées, mhm. ça peut faire fuir déjà. Exactement. Donc, avec la reprise des activités de la production agricole et de la pêche à Difa, ça. Euh, pensez-vous que ces facteurs pourraient aider à réduire euh, le nombre de personnes euh, vulnérables Mais même s'il y a cette reprise des activités, si vous n'avez pas cette sécurité, à quoi ça sert Aujourd'hui, c'est ça le problème c'est que c'est la détérioration de ce climat sécuritaire qui crée cette aujourd'hui euh, cette indignation parce qu'aujourd'hui c'est ça tout à l'heure Garé a parlé des réseaux sociaux mhm. vraiment euh, beaucoup de gens vraiment sont de cœur avec DeFi. C'est bon, il suffit pas de dire qu'on condamne, mais c'est-à-dire oh, les gens vont continuer à interpeller même si on reprend les activités. Ça, c'est pour aujourd'hui faire en sorte que cette vulnérabilité des populations puisse être réduite à travers des activités génératrices de revenus, car on sait que la pêche et, euh, l'activité agricole, au moins, accordent, confèrent une certaine dignité à la vie mhm. de ces gens. Ça, il faut, c'est le gouvernement. Moi, je pense qu'après plusieurs années d'interdiction, le fait que le gouvernement euh, euh, lève ces, interdictions, c'est mhm. une bonne chose. Mais comment Il faut moi, je me rappelle, c'est pas Ségaré qui l'a dit une fois, quand on d'Israël. Mais il faut que les populations aussi comprennent que quand on vous donne l'autorisation, vous aussi, il y a un comportement que vous devrez adopter. C'est-à-dire être là pour apporter la bonne information aux, euh, autorités afin que votre activité puisse être pérenne. Parce que <coughs> ces gens-là aujourd'hui, on ne sait pas qui c'est. Ce qui est plus complexe, chaque fois on parle de présumer, présumer, présumer pour ne pas les Parce qu'on n'est pas sûr de qui il est est-ce que euh. est-ce que c'est c'est c'est réellement Boko Haram ou bien c'est des, gens qui se sont Ou des anciens combattants de Boko Haram qui sont de retour, qui sont de retour avec armes et bagages qu'on ne sait pas qui ils sont réellement. Parce que le fait de se dissimuler aujourd'hui, cette facilité, c'est ça qui pose beaucoup d'interrogations. Mhm. Cette facilité, d'aller et de revenir. Par exemple, quand vous prenez les incursions dont parler parlé Seigneur vers disparaissent. cette facilité mhm. de d'aller d'un village à un autre, mais c'est inquiétant. C'est ça aujourd'hui mhm. qui fait en sorte que les gens se demandent alors qu'est-ce qui se passe réellement. Mhm. Et il faut aujourd'hui prendre des dispositions. C'est vrai, les autorités sont en train de faire de leur, leur mieux, mais quand même, ce n'est pas suffisant. Tout le monde doit mettre la main à la pâte pour qu'aujourd'hui on arrive à juguler cette crise sécuritaire. Merci. Autre aspect de ce forum, euh, après plusieurs euh, interruptions, le chantier de construction du barrage de Kandaji dans la région de Tilaberi va reprendre euh, à cet effet. Le chef de l'État était mardi sur le site. Mm. Ce projet, rappelons-le, va coûter 740 milliards de francs CFA, financé par la Banque islamique de développement et la Banque mondiale. Il vise à améliorer les besoins en énergie du Niger, l'accès à l'eau et la préservation de l'environnement le tout dans une perspective de lutter contre la pauvreté et aller vers une meilleure euh, intégration régionale. Ousaini Issa, la question est pour vous. Quelles seront les retombées directes de cet ouvrage pour les populations à proximité mais je souhaite d'abord que le projet puisse voir le jour. Parce que vous savez, Kandaji, c'est quand même un vieux projet. Ça date pas d'aujourd'hui. C'était un rêve pour Kunti pratiquement, il a nourri beaucoup d'espoir de voir Kandaji jusqu'à son décès. Kandaji n'a pas pu être concrétisé. Mhm. Maintenant, le président Tanja a pris le relais. Je crois qu'il a pu mobiliser les ressources. Il avait même dit, ça a fait polémique dans ce pays, que les ressources avaient été mobilisées. Et la, la preuve, c'est que quand la transition militaire de Salut Jibo est venue, les travaux ont été lancés, on a trouvé un partenaire ou euh, l'opérateur, euh, l'entreprise russe, mhm. qui a même commencé à travailler, qui était sur le terrain. Bon, en fin de compte, quand ces gens sont venus, je veux dire la Renaissance, ils ont, ils ont rompu le contrat avec l'entreprise russe. Le projet était tombé à l'eau, on ne sait pas, l'argent qui avait été mobilisé, c'est passé, où C'est passé où On n'a rien dit aux gens, mais ce que je suis, c'est que Tanja avait effectivement mobilisé ce fonds-là pour pouvoir lancer le projet. Et il avait même promis que ce projet allait voir le jour au plus tard en 2012. Et c'était ça une des motivations pour lesquelles il a demandé à ce qu'on lui concède trois ans supplémentaires pour pouvoir achever ces... réalisations. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais ce que je veux dire, il ne faut pas que ce soit une fois encore juste un effet d'annonce. Parce que entre les promesses, entre les promesses des partenaires techniques et financiers et la concrétisation de ces promesses-là, mhm. souvent il y a vraiment un fossé. Ils promettent, mais c'est la mobilisation, la mise à disposition des fonds, c'est ça qui pose souvent problème. Et je me dis quelque part, on dit que l'opérateur a été recruté. Mhm que les travaux, en tout cas, la dernière fois, le président s'est déplacé. J'espère. Lui-même, il a rectifié parce que j'ai entendu un de nos confrères dire que c'est la pose de la première pierre. Alors que la, pierre, ah. la première pierre a été posée. Alors que la première pierre avait été posée. il y avait même un début, un début de, machin, une partie des travaux qui ont été, ah, une partie qui a été réalisée. Mais bon, on va voir maintenant ce que ça va donner. Dans tous les cas, on, dit que l'ouvrage va être réceptionné à, l'horizon de, 2021. 2021. <laughs> Bon, que Dieu nous prête longue vie ah, pour voir si effectivement, entre la promesse qui a été prise et la, sa concrétisation, <laughs> il y aura coïncidence. On verra bien. Merci Issa. Donc euh, pour cette réalisation qui durera 58 mois, il fallait exproprier des propriétaires terriens car euh, l'infrastructure nécessite environ 45 000 hectares de terres irrigables. Garé Amadou, vous êtes euh, journaliste du quotidien La Nation. Avez-vous des précisions sur les expropriations car habituellement, les lenteurs euh, bloquent les ouvrages. On a vécu par exemple la situation à Goudel lors de la construction de la voie menant à Tondibia et il y a seulement quelques semaines au niveau du chantier du troisième pont. Oui, bon, moi j'ai eu la chance quand même d'avoir été au niveau du, comité Kandaji quelques deux ou trois mois avant que le lancement des travaux là eu lieu et j'ai échangé avec les gens. Mhm. Le processus d'expropriation et de dédommagement mhm. des populations sur son cours normalement. On m'a même montré des logements qui ont été construits. Ça dit que c'est un, nouveau village avec des infrastructures modernes pour des gens qui étaient dans des cases. Je dis c'est formidable, on me les a montrés. Donc, je pense que, eh, eh, eh, contrairement à ce que Hussein a dit, les Russes à qui on a retiré le contrat, c'était parce que c'était des nuls. Est-ce que vous comprenez Comment ça, Non, c'était la hiérarchie militaire qui a donné ce contrat. Et les autorités de la 7 République, quand elles sont venues, elles ont vu que le truc se traînait. Elles se sont rendues compte que, mais finalement, on a donné un contrat à, à des gens vraiment qui n'étaient pas à la hauteur, mais ils l'ont retiré. Et effectivement, il y a eu la pose de première pierre. Mhm. Pourquoi Parce que ça, prouve d'abord deux choses. La détermination des autorités de la 7 République à rendre vie, à donner vie à ce projet. Il y a eu un premier faux départ, n'est-ce pas Une première pose de pierre qui n'a pas pu se concrétiser. Mhm. Mais cette fois-ci, la différence, c'est quoi Ce que les fonds sont là. Mhm. Je vous dis le processus de dédommagement des populations. On m'a donné un pourcentage, j'ai oublié le pourcentage, mais il est vraiment en bonne voie. Parce qu'il faut d'abord dédommager les populations. Donc toutes ces personnes-là vont être dédommagées, installées, tout et Elles vont être dédommagées. Elles vont être dédommagées et l'ouvrage, cette fois-ci, j'ai l'intime conviction que c'est un bon départ. Mhm. J'ai l'intime conviction que cette fois-ci, c'est la bonne. et un rêve, un rêve qui date depuis les indépendances, s'il peut être concrétisé. Mais je dis bravo, n'est-ce pas Parce que le premier bénéficiaire, ce ne sont pas les autorités de la 7 ème République. Parce que quand il va finir, quand on va achever le, le, le, projet, lui, le président Issoufou, qui a lancé la, la, pose de la première période, il ne sera pas là. Lui, il va, il va partir à, sa retraite pour d'autres occupations. Mm-hmm. Mais il aura laissé au Niger quand même quelque chose d'extrêmement important. Quelque chose que les gens pensaient impossible. Les gens parlaient d'éléphants blancs, ils ont parlé de tas de choses. Mais cette fois-ci, grâce à la Banque islamique de développement, grâce à la BAD, grâce aux autres institutions qui se sont réunies, mhm. oui, qui se sont réunies à Abidjan, qui ont fait une table ronde, qui ont mobilisé les ressources. Les gens ont dit, ah oui, oui, c'est des promesses. Non, cette fois-ci, c'est du concret. Est-ce que vous comprenez Gare, on va attendre 58 mois pour euh, voir <laughs> le résultat. On va faire le bilan, ne vous euh, inquiétez pas. Une fois réalisé, le projet permettra de diviser le coût de l'énergie par rapport au fuel par 10, a affirmé le chef de l'État. Issa Amadou, journaliste euh, à la radio et télévision Ténéré, que pensez-vous de la faisabilité de ce projet et des avantages qu'il est censé apporter aux Nigériens Tout d'abord, parlons des avantages. Tout le monde sait que ce projet, au-delà de l'aspect énergétique, ce que ce projet, une fois réalisé dans le concret, ce que ça va nous appuyer aussi dans la sécurité alimentaire. Parce que vous savez, notre pays est un pays vulnérable sur le plan alimentaire. Ce qui veut dire que nous aurons des terres vraiment irrigables et connaissant la zone, la, fertilité de cette zone, c'est que ça va booster la production agricole. Mhm. Donc, ça va réduire considérablement nos importations d'aliments de, de grande consommation. Et il faut que les Nigériens aussi se remettent au travail. Parce que ces terres, quand ils, font, ils vont être aménagées, ce n'est pas quelqu'un qui va venir les travailler. Et ces terres ne vont pas pousser d'elles-mêmes, ce ne sont pas des choses qui vont sortir comme ça. Il faut que les Nigériens s'arment. Ce n'est pas seulement euh, tous les Nigériens qui mhm. peuvent aller travailler. Maintenant, par rapport euh, euh, à, la, faisabilité du projet, moi, ce qui est dans la communication, ce que je n'ai pas entendu, j'aurais bien voulu qu'on nous dise que est l'entreprise, qui sont ceux qui ont eu le marché de construction Avant, on sait que c'est quand il y avait eu les Russes, on a cherché. On a vu que c'est des gens qui ont été incapables même dans nos recherches, incapables de construire un petit barrage sur une rivière ici en Algérie. Mais aujourd'hui, on veut savoir qui a eu ce marché, qui est l'éducateur aujourd'hui du marché, pour que nous puissions savoir qui il est réellement. Parce qu'aujourd'hui, dans le domaine de la construction des barrages hydroélectriques, il y a des pionniers il y a des entreprises, dès qu'on sait que c'est eux qui sont sur le projet, il y a par exemple une entreprise chinoise, j'ai oublié le nom, il y a les Brésiliens de Odebrecht, cette société qui a euh, des problèmes avec le pouvoir euh, sur des soupçons de corruption hein, au Brésil. Il y a des entreprises aujourd'hui qu'on le sait. Je suis d'accord avec tout ça, mais la question est la faisabilité, euh, aspect énergie qui sera divisé par 10 quand on aura le barrage, l'énergie va coûter moins cher. Ben, ça, c'est effectivement, c'est le souhait. Et surtout, moi, c'est même pas le prix qui m'intéresse le plus souvent. L'apport, c'est que on va finir avec les délestages. Quand le barrage sera réalisé, ou le fait d'avoir le mm. courant en continu, parce qu'avec les barrages, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de coupure. Il a pas Le fait d'avoir le courant en continu, ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Maintenant, le prix, ça c'est là la Nigélec. La Nigélec mm-hmm. oh, est obligée aujourd'hui, quand ce barrage va être terminé, de revoir le prix du kilowattheure. Donc, ça veut dire, ça, c'est des choses qui vont venir après. Mhm. Mais aujourd'hui, c'est ce que les Nigériens veulent savoir, que cette communication qu'on est en train de faire sur le barrage, qu'elle soit une communication objective. Qu'on nous dise réellement qui et qui sont sur ce projet. Parce que nous, les on doivent investiguer pour savoir que le scénario des Russes, là, que ça ne doit plus se reproduire probablement on aura toutes ces <laughs> informations. Je vous donne une minute. Ah, euh, ça a rectifié quelque chose qu'elle a dit. Oui. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Quand on était en train de fourrer à Gadem, on a fait comprendre aux Nigériens que l'essence allait baisser, le coût de l'essence. Mhm. Est-ce que le coût de l'essence a baissé Ça n'a pas du tout baissé. On est toujours. Ça fait combien pratiquement d'années que l'essence est en train, euh, le pétrole est en train d'être exploité. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas prendre l'engagement. Il y a eu des grèves et tout. On a... Dernier volet de ce forum, c'est définitif. Les équipes de football du Niger, les moins de 23 ans et les seniors ne participeront pas aux Coupes d'Afrique des Nations Égypte 2019 respectivement prévus en juin et novembre prochain. À l'issue du deuxième tour des éliminatoires euh, mardi 26 mars, le MENA des moins de 23 ans a été éliminé par la Côte d'Ivoire avec un cumul de 8 buts à 1. Garé, la question est pour vous. Quelle est votre appréciation des performances du MENA U23 en aller et retour Oui, vous savez, euh, moi concernant le MENA, j'ai déjà parlé sur ce plateau. Vous en parlerez encore. Euh, oui, j'en parlerai encore parce que <laughs> euh, j'ai dit que le football nigérien est un football extrêmement nul. Euh, c'est-à-dire que il n'y a pas du c'est pas sérieux. on prend les choses. C'est-à-dire, je n'ai pas l'impression que on en fait, c'est-à-dire un objectif national, comme ça se fait au Mali, comme ça se fait au Burkina. Regardez comment le football burkinabé est développé, comment le football malien est développé. Mais comment se fait-il que le vous, pourquoi ça ne marche pas ici Non, il y a un, c'est-à-dire que nous, non, nous c'est des enfantillages qu'on fait. C'est-à-dire, je trouve qu'on est en train de blaguer avec quelque chose, alors qu'on peut en faire quelque chose de grand. Et au lieu d'aller à la Coupe d'Afrique des Nations, se faire attatiner, n'est-ce pas Faire combien de quatre matchs, aucune, aucune, aucune, victoire, même un nul, ramasser des buts et revenir, mieux vaut ne pas aller. Et c'est pourquoi j'ai dit, le fait que le MENA a été éliminé, j'ai dit quelque part, c'est une bonne chose. Ça veut dire que si on était parti, ça aurait été l'illumination planétaire. Ça vous donc. donc, quant aux seniors, ils ont aussi été éliminés à l'issue de la rencontre avec euh, l'équipe égyptienne qui s'est soldée par un score de 1 but partout. Issa Madgou, la question est pour vous. D'aucuns parlent euh, d'un mauvais classement des joueurs, euh, d'un manque d'application de certains. Est-ce que vous êtes d'avis avec ça ben, de, de non-respect de classement, comment C'est quand on a euh, une recette, pour réussir une bonne recette, il faut des bons ingrédients. C'est quand vous n'avez pas la matière, qu'est-ce que vous pouvez espérer Non, un garé a raison, parce que c'est notre équipe nationale. On ne fait pas de ça un objectif national. Le Mali qui est là aujourd'hui, le Mali n'a même pas de fédération. Et vous ne pouvez pas vous lever un beau matin pour vous dire que non, nous allons être les meilleurs. Il faut un travail à la base. Aujourd'hui, est-ce qu'un investissement est fait dans le sport de la base pour produire des talents pour demain. Est-ce que ça existe Aujourd'hui, tout est effet de pub. Il y a quand même des écoles hein, pour... Euh, mais, euh, où, est, le résultat Où est le résultat Moi, je suis sidéré de quand je parcours parfois les, listes des, joueurs que au niveau même en, deuxième division française, il n'y en a pas. Et on veut concurrencer, des, par exemple, des, des équipes comme l'Égypte, la Tunisie. Non, même ici, nos voisins immédiats quand on prend le Mali, euh, le, le, Burkina Faso, mais aujourd'hui même le Tchad, aujourd'hui est dans une dynamique de restructuration de son équipe nationale. Parce que le Nigeria, on ne peut même pas en parler. Parce qu'eux, ils sont déjà en avance. ils font des projections. Il faut pour que ça marche. Il faut que les gens soient sérieux, que les gens savent pourquoi ils sont là à la place de la gestion du, de, du football nigérien. Parce que il faut qu'on arrête de faire de ça comme d'entretenir ce flou artistique où vous êtes les seuls à comprendre ce qui se passe de l'intérieur. Et chaque fois, on nous miro miroite des choses. On dit non, on a fait ceci, on a fait cela, il y a tel patron de. Mais est-ce que c'est la venue des patrons du football qui vont faire en sorte que les Nigériens savent jouer du football Non, il faut qu'on les entraîne. Il faut qu'il y ait cette pépinière. Sans ça, nous ne pouvons rien faire. Aujourd'hui, le football est en train d'évoluer il faut des investissements. Mhm. Il faut que la pratique du sport, au-delà de la fédération, du ministère de la Jeunesse et Sport, il faut que la pratique du sport soit une réalité au Niger. Quand vous prenez, par exemple, pour finir, <coughs> des pays comme Dakar, euh, le Sénégal, à Dakar, la capitale, vous allez trouver des bonnes parties de la ville où il y a des infrastructures de, sport. Des gens font des courses, il y a des heures de jeu, de mhm. football. Il faut entretenir cela. Aujourd'hui, c'est ça le ministère. Aujourd'hui, au lieu de laisser que le ministère de la Jeunesse et Sport laisse la ville de Niamey seulement aménager ces lieux de sport, le ministère doit aider la ville de Niamey à investir, à faire de ces heures de jeu vraiment des, espaces qui vont contribuer au développement du sport. J'espère que ça va venir avec le temps. Hussein euh, Issa, euh, vous avez euh, la parole. Quelle appréciation faites-vous de l'élimination de ces deux équipes nigériennes pour la course à la can. Bon, dans tous les cas, ce n'est pas surprenant. quand on fait du kame on ne peut pas aller loin. Ce n'est pas aujourd'hui. Moi, j'ai connu le football, l'équipe MENA, sous C'était une équipe valeureuse il n'y avait pas assez de moyens. Avec les Diagondis. avec les. Ils n'avaient pratiquement pas grand-chose. Mais ils défendaient vaillamment. Et comment vais-je dire euh, les, couleurs, les couleurs. Mais aujourd'hui, on se retrouve les, dirigeants, c'est eux qui se sucrent. C'était quoi bah, le secret avant, selon le, vous Le secret, c'était, comment vais-je dire, euh, le, patriotisme je vais montrer que les couleurs du Niger, l'hymne national qu'on a euh, entonné, que je suis là pour, voilà. Dans Mais malheureusement, on est dans une situation, il n'y a pas de constance. Dès qu'on gagne un match amical, on gagne, les gens se mettent à acclamer. Dès qu'on sort, on, on, n'a qu'à arrêter. Merci, Issa. Merci beaucoup. Ça n'a vraiment pas de sens. Merci. C'est ici que s'achève le forum de la presse de ce vendredi 29 mars 2019. Euh, nous étions en compagnie de Hussein Issa, journaliste euh, freelance, euh, Gare Amadou, journaliste au quotidien La Nation, et Issa Madougou, journaliste à la radio et télévision Ténéré. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain samedi dès 17h15 pour le forum en Hausa sur les mutilations génitales féminines et celui en Zarma dimanche, euh, sur comment saisir euh, le médiateur de la République. C'était Raïla Soumana à la modération et Lawali Issa à la technique. Au revoir.